askan bi nga xam ne ne mooy yeewoo ci quartier Diamalaye 2 ak li ko wër ñi nga xam ne ne mbënd bi sonal lañ si diwaanu Malika ñoom dañoo xëy tey daal di wàcc si mbedd bi gannaaw bi nga xam ne ne benn mag bu dëkk ci gox bi dafa jot a lab ci ndox yi nga xam ne ne mooy ndoxu taw yi te mu daal di fa taa ba tax sax ñett si ñoom police jot leen teg loxo daal di dóor ay sox ngir ñu mën a tas. waa tey dañoo wàcc mbedd mi di yëngalaat jeunes yi ñëw fii ak ñun ak ñoom ñuy ñuy indi seen lacrymogène di ñu fi jëlee instant bi jàpp nañu trois femmes ak benn góor ñu ñu ngi taxaw ci buntu police yi di leen régler pour ñoom ñu mën leen a bàyyi askan boobu maire ba futu seen maire ak nguur gi jàpp ne ñoom dañu leen fàtte dañoo soloon ay sagar yu xonk waaye tamit yëkkati ay pànkaat daal di taal ay pneu si diggante tali bi nga xam ne moo jugee Malika di dem Kër Massar sonn nañu looloo tax takk yi daldi di ñëw foofu daldi fa dóor ay sox ñu mujjee tas waaye askan bi ñoom jeexal nañ seen kàddu di wax nag fii léegi ay fan yu néew bu fekk ni nag autorité yi jëluñu ay matuwaay ngir dindi leen seen mbënd bi nga xam ne ne daf leen sonal ñoom dinañ yëngu yëngalaat. ñun nag duñu bàyyi sa parce que suñu kër yi moom la ñu am duñu fi génn fii nee nañu place non mais ñun fii mooy suñu or mooy suñu jama mooy suñu almadi. utal ñu solution ñu wàccaa ci tali rek waaw di ko tàngal ba kër ñu am mais suñu kër yi moom la ñu am te torox nañ ba pare sa parce que torox weesu nga génne ko kër location révolte des populations sinistrées des quartiers Djamalaï de, Malika et environ victimes des inondations suite à la mort par noyade d'un vieillard d'une soixantaine d'années dans un bassin de rétention. Trois personnes arrêtées par la police qui dispersent les manifestants à coups de gaz et de grenades lacrymogènes. On s'est réveillé pour fustiger l'injustice que nous vivons à l'instant au niveau de Mérina Malika Djamalaï. on a arrêté trois femmes et un homme au niveau des manifestants ces populations mécontentes de leur mère et de l'État, arborant des brassards rouges et brandissant des pancartes, ont ensuite brûlé des pneus sur l'axe routier Malika-Kermassar. ce qui a suscité une intervention très rapide des forces policières de Malika qui les ont dispersées à coups de gaz et de grenades lacrymogènes. Toutefois, ces populations, très remontées contre les autorités pour les avoir abandonnées, ont promis de récidiver s'il n'y a pas de solution à leurs difficultés. Nous voulons que la situation, qu'on fasse des solutions définitives parce que vraiment, on ne peut pas continuer à vivre cette calvaire-là, sans quoi nous continuerons euh, euh, les combats, Inshallah. Nous voulons une relaxe, pure et simple de nos détenus, sinon dès demain nous descendrons encore dans la rue.